le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de 31 radios partenaires qui diffusent en direct les programmes du Studio Kalangou. Chers auditeurs, aujourd'hui, le Forum a pour thème la problématique de la traite des personnes. Avec nous ce soir pour développer ce sujet, Bara Mamadou Ali, commissaire à la Commission nationale des droits humains, Bara Mamadou Ali. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Kani Abdullah, il est le coordonnateur du collectif des organisations de défense des droits de l'homme, Code Kani Abdullah. Bonsoir. Euh, bonsoir, Monsieur Mokhtar. La lutte contre la traite des personnes, c'est la lutte contre toutes les formes de violation ou d'exploitation des droits d'un individu par rapport à un autre. Une infraction qui permet d'appréhender toutes les catégories de délinquants ou d'individus hostiles au respect de la dignité humaine. Trafic humain, progénitisme, exploitation de la mendicité, d'autrui, esclavage. Dans un premier temps, nous allons aborder les causes de la traite des personnes, ensuite euh, les conséquences de la traite des personnes et nous essayerons de proposer des pistes de solutions à envisager. Et enfin, de la troisième et dernière partie de ce forum, nous allons aborder la situation des migrants en Libye. on va commencer avec vous, Bram Mamadou, commissaire à la Commission nationale des droits humains. Quelle est la situation exacte des droits de l'homme au Niger Merci, euh, Monsieur euh, Mokhtar d'abord de nous avoir invités à ce forum, discuter sur la question des droits humains au Niger, mais plus particulièrement sur la question épineuse de la traite des personnes. Maintenant, pour répondre à votre question, je pense que la situation des droits humains au Niger est dans une dynamique effectivement que la CNDH vous savez que la CNDH est une institution indépendante conforme aux principes de Paris et qui a pour mandat essentiel la promotion et la protection des droits humains. Donc, on est dans une dynamique, on ne peut pas dire aujourd'hui de manière claire, voilà la situation en tant que telle, parce que chaque jour que Dieu fait, nous sommes interpellés, chaque jour que Dieu fait, nous sommes saisis de différentes formes de plaintes et nous procédons à des, à des investigations. Nous appelons les gens et nous essayons de clarifier toutes questions, ce qui nous amène à maintes reprises à prendre des positions sur euh, les questions de violation des droits humains. Mais dans l'ensemble, dans l'ensemble, quoi qu'on dise, quand on voit l'arsenal juridique au Niger, on peut dire qu'on est assez étouffé. Il y a les moyens, de protéger les droits humains et on est assez regardant avec euh, la collaboration des acteurs de la société civile avec lesquels nous travaillons. Je pense quand même c'est un combat de tous les jours que nous devons tous ensemble dominer et nous sommes là-dedans. Donc euh, d'un point de vue global, vous avez vu notre dernier rapport, euh, on peut dire qu'il y a des hauts, des bas. On a fait des recommandations, on est en train de suivre euh, l'application de ces recommandations, je peux dire qu'on est dans cette dynamique et on ne peut que remercier tous les acteurs qui s'y mettent. Il y a des lueurs d'espoir selon vous alors Oui, il y a beaucoup de lueurs d'espoir parce qu'aujourd'hui, avec euh, toutes euh, ces associations de défense des droits humains, avec les partenaires qui aident le Niger dans ce sens, avec la Commission nationale des droits humains. Et pour preuve, on était à un statut B sur le plan international. En statut B, ça veut dire euh, Ça veut dire qu'on n'était pas très bon élève en matière de droits humains. Mais on est revenu au statut A. Et en Afrique, vous pouvez le compter, les institutions nationales de défense des droits humains qui ont ce statut-là. C'est une avancée C'est une grande avancée. Ça montre combien la CNDH est crédible, combien la CNDH est indépendante et combien la CNDH travaille pour la promotion et la protection des droits humains. Donc je vous dis hein, que c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous sommes représentés un peu partout, nous sommes entendus de vive voix, on prend la parole partout, en premier d'heure, parce qu'on est statut A, c'est le meilleur statut des CNDH. Donc euh, je pense qu'on peut parler au-delà d'espoir, on peut parler d'excellence même par rapport à la défense des droits humains. Bara Mamadou Ali, commissaire à la Commission nationale des droits humains, selon vous, quelles sont les différentes formes de traite des personnes Bon, vous savez, la traite de personnes a été définie. On a une définition internationale euh, donnée par le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée. Le protocole, c'est... on peut voir toutes les formes. De on peut, oui. La traite, de façon générale, ça... Surtout, on a trois éléments dans la traite. Ça peut prendre toute forme. Mais on a trois éléments. Il y a le recrutement, il y a le transport, il y a l'exploitation. Voilà ce qu'on trouve de façon générale dans toutes les formes de traite. Maintenant, dans leurs manifestations, ça peut être l'esclavage, les pratiques analogues à l'esclavage, ça peut être l'exploitation sexuelle, le proxénétisme, ça peut être le travail forcé, ça peut être, voilà, tout ce qu'on peut imaginer comme négation de la dignité de la personne humaine. Bra Mamadou Ali, hmm. quelles sont les origines de la traite euh, au Niger, la traite des personnes Les origines de la traite de personnes, euh, ça a fait l'objet de plusieurs débats. Au tout début, euh, au 19e siècle, on parle de traite de blanche Maintenant, on a fait un rapprochement entre la traite et le trafic illicite de migrants. Vous, faites allusion à la traite négrière Oui, la traite euh, de blanche, bien avant la traite négrière. Le concept de la traite a commencé là, au, au début du 19e siècle. Ça a évolué avec la politique aujourd'hui de l'Union européenne tendant à lutter contre ce qu'ils appellent l'immigration clandestine ou irrégulière. On a fait un rapprochement entre la traite et l'immigration irrégulière. Or, ce qu'il faut retenir, toutes les victimes de traite ne sont pas des migrants irréguliers. On peut être en situation régulière et être victime de traite. Il y a beaucoup de mythes comme ça, où on peut penser que c'est les personnes qui ne sont pas éduquées, qui n'ont pas un certain niveau scolaire, qui sont victimes. Non, on peut bien être éduqué, être un universitaire, être victime. Il y a plusieurs manifestations. Mais au Niger, de façon générale, la traite de personnes quand on prend l'aspect esclavage, on en parle souvent, les gens ne veulent pas faire le débat, mais c'est une réalité qui est souvent culturelle. Souvent c'est culturel, et souvent, aujourd'hui, ce qui favorise la traite, c'est la pauvreté, l'absence d'opportunités pour les jeunes. On va revenir vers vous, Bra Mamadou Ali, euh, commissaire à la CNDH. Le temps de donner la parole à Kani Abdullah, qui est le coordinateur du collectif des organisations pour la défense des droits de l'homme au Code. Kani Abdullah, comment le Code aborde-t-il la question de la traite des personnes euh, Bonsoir. Permettez-moi de vous remercier très sincèrement pour cette opportunité que vous nous donnez de venir discuter d'un thème qui fait aujourd'hui l'actualité, la traite des personnes. Au-delà de la traite des personnes, le Code est quand même une organisation très connue, un réseau d'organisations de la société civile qui se bat depuis des années pour le respect de la dignité humaine, parce que c'est là aussi le droit de l'homme. Aujourd'hui, avec euh, la question de la traite humaine, nous travaillons, nous travaillons en collaboration avec d'autres institutions et d'autres organisations de la société civile avec lesquelles nous avons, nous partageons les mêmes principes. Parce que qui essaie de réduire quelqu'un à la traite, de mon point de vue, il n'y a pas quelque chose d'immoral que de réduire son semblable à la traite. Parce que, en matière de droits de l'homme, on parle de dignité humaine, le respect de la dignité humaine. Et c'est un combat que nous menons au niveau du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie sans répit. Parce que pour nous, il n'est pas question, surtout aujourd'hui, en 2017, que d'autres êtres humains s'évertissent à vouloir effectivement faire de la traite des personnes. C'est vrai que ça a existé depuis la nuit des temps. Ça a existé depuis la nuit des temps et ça a passé par plusieurs autres manières. Mais aujourd'hui, les formes de traite que nous voyons, nous pensons que ça ne respecte pas, puisque ça ne respecte pas la dignité humaine. Ce n'est pas que dans, la nuit des temps, ça respectait la dignité humaine, mais aujourd'hui, il y a plusieurs instruments, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau sous-régional, que ce soit au niveau régional et international, qui permettent de faire la promotion, la protection et la promotion de la dignité humaine, et pour lequel nous, en tant que réseau d'organisation de la société civile, nous ne saurons effectivement rester les bras croisés devant cet état de fait. Kani Abdullah, coordonnateur du Code. Selon vous, est-ce que le gouvernement nigérien est profondément préoccupé euh, de la situation de la traite des personnes au Niger Oui, du point de vue politique. Parce que, au moins, l'État a légiféré. D'abord, pour être sincère, l'État a réussi ici la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les pratiques esclavagistes et analogues et de toute forme contemporaine d'esclavagistes. Ce n'est pas donné à n'importe quel pays. Parce que souvent souvent, les pays sont aussi jugés par le feu, que ces pays ouvrent leurs portes au système des Nations Unies. Et le Niger est un bon élève sur ce plan. Il y a plusieurs instruments élaborés au plan national. Bien sûr, au plan national. Et il y a plusieurs instruments élaborés au plan national. Vous savez qu'aujourd'hui, l'esclavage au Niger est un délit vous le savez bien, vous savez que le Niger, euh, le Niger a même, euh, il y a une jurisprudence, le Niger a été même devant une cour de communauté. le Niger avait été jugé coupable de n'avoir pas si protégé une citoyenne nigérienne contre l'esclavage et le Niger avait été condamné. que le Niger a accepté. Il y a ce qu'on appelle l'agence nationale, la commission nationale de lutte contre la traite des personnes qui a une agence de mise en œuvre qu'on appelle l'agence nigérienne de, lutte contre la traite des personnes. Donc, du point de vue institutionnel et politique, l'arsenal est là. Donc, je ne peux dire que sur ce point, qu'effectivement le Niger est engagé et que c'est une très bonne pratique, mais maintenant, c'est la mise en œuvre. Il faut accompagner la mise en œuvre pour voir ce que cela peut donner. Kani Abdullah coordinateur du Code. Aujourd'hui, est-ce que le Code est suffisamment présent ou engagé dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes au Niger Bien évidemment, pour la simple et bonne raison que c'est vrai qu'aujourd'hui, de par le monde, c'est les éléments de, que CNN a pu diffuser, qui a fait en sorte qu'effectivement, que les gens se sont réveillés. Mais ça fait longtemps que le code, à travers un rapport que nous avions élaboré, que nous avions élaboré effectivement, nous avions déjà attiré l'attention des pouvoirs publics sur les dangers qui pouvaient guetter pas seulement les Nigériens, mais ce qu'on a appelé les migrants subsahariens qui essaient de traverser le désert, surtout pour se rendre en Libye. Mais en son temps, nous n'avons pas été entendus parce que peut-être qu'on pensait que ce que nous disions n'était pas sérieux, quand bien même nous n'avons pas l'habitude mhm. de dire des choses qui ne sont pas sérieuses. Et aujourd'hui encore, avec euh, un certain nombre de partenaires, dont l'UNOAS, nous sommes allés devant la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple et devant le forum des ONG. Nous avons fait entendre la voix du Niger ou des organisations de la société civile du Niger dans la lutte contre la traite des personnes. Et des recommandations avaient été faites avec l'accompagnement de l'UNOWAS. L'UNOWAS, c'est l'Organisation des Nations Unies qui lutte contre la traite des personnes dans le Sahel. Ils sont basés à Dakar. Il y a eu des recommandations qui avaient été faites. Et aujourd'hui encore, nous travaillons avec un partenaire qu'on appelle le Service international pour le droit de l'homme qui est basé à Genève. Nous sommes en train de documenter nous sommes en train de documenter les cas qui nous sont sous la main pour effectivement faire en sorte que ceux qui s'adonnent à de telles pratiques puissent aller répondre ou si c'est euh, euh, surtout la responsabilité de l'État soit prouvée et qu'ils partent répondre devant le Conseil des droits de l'homme. Kani Abdullahi, est-ce possible d'éradiquer totalement la traite des personnes au Niger Mais bien sûr, il est bien possible d'éradiquer la traite des personnes. C'est la volonté politique. Tant qu'il y a volonté politique, on peut éradiquer. Bra a dit quelque chose d'essentiel. C'est vrai que c'est un phénomène qui est ancré dans la société nigérienne. C'est culturel, Et les gens n'en veulent pas parler. C'est parce que les gens ne veulent pas parler, c'est parce que les gens n'en parlent pas que la pratique persiste. Et pourquoi les gens n'en parlent pas C'est la question effectivement que je me pose de mon point de vue. Il n'y a pas d'argument, c'est des arguments fallacieux. Les gens, c'est dire des arguments fallacieux parce que vous allez voir aujourd'hui, même les intellectuels, souvent qui disent que quand ils sont non, et ceux qui disent que non, il ne faut pas suivre, euh, comment on appelle ça, ce que, que les, droits de l'homme, c'est qu'ils disent. Or non, c'est vrai, il l'a dit. C'était depuis la nuit des temps. Et à la nuit des temps, tout le monde sait pourquoi on parlait de, de traite des personnes. Euh, avec l'arrivée de l'islam, tout le monde parlait, tout le monde savait pour, comment on parlait de la traite des personnes. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on peut mettre fin à la traite des personnes, pour peu qu'on le veuille. Bra Mamadou Ali, commissaire à la CNDH. Quelles sont euh, concrètement les actions du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes au niveau de la Commission nationale des droits humains Bon, peut-être il ne faut pas mélanger les choses. Le gouvernement mène ses actions. La CNDH, de son côté, est une institution indépendante constitutionnelle et qui mène également ses actions. Mais ce que je puis vous dire, nous travaillons en collaboration avec le gouvernement pour l'éradication de la traite des personnes. Et effectivement, c'est une vision commune. C'est les droits humains qu'on vise tous. C'est la protection des droits humains. Et comme l'a dit monsieur le coordonnateur tout à l'heure, effectivement, le Niger est doté d'arsenal juridique. Et ça, c'est l'œuvre du gouvernement, du Parlement. C'est pas politique, c'est pas trop politique? Bon, je sais pas. Mais quand même, ça y est. C'est que sûr, on a une loi qui combat qui reprime la traite des personnes. Le code pénal a criminalisé l'esclavage. Nous avons récemment une loi sur le trafic illicite de migrants. Je me dis que quand même le gouvernement, même si vous pouvez appeler ça politique, a émis quand même sa volonté. Maintenant, c'est comme il le dit, c'est dans la mise en œuvre. Et tout doit passer par la sensibilisation. Vous vous rappelez, c'est l'une des rares infractions où les victimes n'en parlent pas. Aujourd'hui, vous êtes victime de vol, demain, tout l'entourage le saura. Mais la traite des personnes ou l'esclavage ou ces pratiques analogues, les victimes n'en parlent jamais. C'est les ONG, les associations, les institutions qui ont le devoir et l'obligation de protéger la personne humaine qui en parlent. Donc il faut commencer par un travail de sensibilisation. Une infraction de l'ordre que la victime n'en parle pas. Et la victime n'en parle pas. Tout à l'heure, le coordinateur du code mm. disait qu'il est facile euh, d'éradiquer mm. la traite des personnes au Niger. Est-ce que vous gardez bon espoir Est-ce que vous êtes optimiste Je suis totalement d'accord avec le coordonnateur Kani parce que c'est un travail qu'il faut faire. D'abord, commençons par sensibiliser nos populations. Commençons par là. Et vous savez bien que si la victime n'en parle pas, ça fait partie un peu de sa personnalité. Or, une personnalité on l'acquiert, on la change. Et c'est un travail que le gouvernement, les OSC, et la CNDH et tout le monde devraient se lever comme un seul homme, aller dans ce sens. Il faut sensibiliser. Sensibiliser, amener les victimes à dénoncer, à saisir les instances compétentes, ne serait-ce que la société civile qui est très proche, ou bien la CNDH, par rapport à ces questions. Nous, aujourd'hui, nous attendons d'avoir des cas. de dénonciation. Bara, Ali, commissaire à la CNDH, est-ce que vous avez eu, pu euh, localiser ou bien euh, répertorier des localités qui sont contenues par ces pratiques néfastes Bon, au fait, on est là-dessus, on est en train de faire une étude avec Timidria d'ailleurs. On est en train de faire une étude euh, avec Timidria, donc je le disais où ils ont une expertise en cette matière. Ils ont fait beaucoup d'études, beaucoup de recherches et ils nous ont contactés. On va les appuyer, aller dans ce sens, répertorier quelques zones. D'ores et déjà, on avait, avec l'appui de l'Union européenne, dans le cadre de notre partenariat avec l'Union européenne, fait des spots de sensibilisation qui sont en train d'être ventilés au niveau de radio communautaire, des zones qu'on a estimé être un peu touchées par cette question de traite de personnes. Je pense que c'est déjà un pas. On sensibilise à travers les médias des zones qu'on va aller davantage investiguer pour un peu comprendre la question de ce qu'on peut appeler aujourd'hui les pratiques analogues à l'esclavage. La deuxième partie de ce forum s'intéresse aux conséquences de la traite des personnes. On va commencer avec vous, Kani Abdoulaye. Kani vous êtes coordonnateur du Code. Quelles sont les conséquences immédiates de la traite des personnes En un seul mot, c'est la négation de la dignité humaine. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, prenons un seul exemple, ce qui se passe par exemple aujourd'hui en Libye. Donc c'est la négation de la dignité humaine. La négation de la dignité humaine veut dire quoi Lorsque on pense que euh, on peut réduire son semblable en, esclavage et qu'il n'a droit, par exemple vous prenez aujourd'hui, il n'a droit, il n'a pas de droit, il n'a pas de droit à la terre, il n'a aucun droit, il est soumis, c'est lui qui doit faire toutes les tâches dans une famille, dans la famille de son maître. Je pense que c'est la négation de la, de la dignité humaine. Est-ce que c'est un frein au développement euh, socio-économique euh, du, pays Mais bien sûr, c'est un frein. Et c'est un frein, un goulot d'étranglement d'ailleurs pour le développement socio-économique, parce que tu as parlé de socio-économique, socio-économique du pays, parce que c'est une tare. Et lorsque quelqu'un l'a dit, on n'en parle pas, c'est une tare, c'est aussi la personnalité, parce que quand la personnalité s'acquiert, lorsque vous avez cette tare, qui vous taraude, <laughs> si vous me permettez cette tautologie, mais vous ne pouvez pas effectivement développer votre personnalité. Quand vous regardez, cette, quand vous prenez certains pays qui sont développés, on n'en parle pas. Aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, il y a, un, noir, même si, même si ce n'est pas l'esclavage qui l'a amené là-bas, qui a été président aux États-Unis d'Amérique. Comme vous regardez aujourd'hui le Libéria, c'était des esclaves affranchis des États-Unis d'Amérique qui ont quitté les États-Unis d'Amérique pour aller là-bas euh, se rendre euh, pour créer le Libéria. Lorsque vous avez cette art, vous ne pouvez même pas vous affirmer. Vous avez l'impression que les autres vous regardent. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de voir là où j'ai dit l'habitude de voir et d'être témoin de voir où des gens ont voulu être candidats, candidats à des postes électifs où on les a carrément dit non, qu'ils n'ont pas ce droit parce que pour eux, c'est des sous-hommes. Alors que souvent, c'est des gens, c'est des hommes et des femmes comme n'importe qui et souvent qui sont bardés de diplômes aussi, mais pour lesquels on dit, on dit non, non, non, que vous, vous ne pouvez pas effectivement parce qu'on pense que vous êtes des sous-hommes. De mon point de vue, c'est un frein, euh, plus qu'un frein au développement. Bra Mamadou Ali, commissaire euh, au niveau de la Commission nationale des droits humains, selon vous, euh, est-ce qu'il y a des conséquences à long terme oui, il y a des conséquences d'abord à court terme, immédiates. Oui, parce que, comme l'a dit Kani, c'est la négation de la personne humaine. Et voyez-vous, aujourd'hui, tous les projets de développement, tous les programmes de développement, que ce soit au niveau onusien, que ce soit au niveau régional ou sous-régional, ou même au niveau national, nous sommes tous d'accord qu'ils sont fondés sur le respect des droits humains. C'est un aspect extrêmement important. Dès lors qu'il y a une violation des droits humains, en l'occurrence aussi flagrante, telle que la traite des personnes, c'est normal qu'il y ait une conséquence sur d'abord l'individu et sur la communauté. Aujourd'hui, sur l'individu, vous avez le statut illégal dans le pays d'accueil. Quand on quand on parle en termes de migration, vous avez les risques de maladie parce que c'est des personnes qui sont battues. Au fait, on les on les considère même pas comme étant des personnes. Avant d'en venir mm. à la situation en Libye, euh, Bara Mamadou Ali, commissaire à la CNDH, que risquent les personnes coupables ou complices de la traite des personnes Oui, c'est des lourdes lourdes peines d'emprisonnement. Hein. Là, le législateur a été très très sévère. Et c'est à juste titre, parce qu'on ne peut pas comprendre, à l'heure où on est, qu'on parle de traite d'êtres humains. Effectivement, il y a la traite simple qui peut être punie jusqu'à 10 ans. Il y a la traite aggravée qui peut aller au-delà de 20 ans, 30 ans. Par exemple, la traite impliquant un mineur. Il y a beaucoup. La traite, euh, vraiment, c'est un dispositif dans lequel le législateur a été très sévère au regard des auteurs, des complices ou co-auteurs de traite de personnes. Alors, euh, selon vous, comment y mettre fin D'abord, il faut sanctionner, il faut sensibiliser, et puis il faut amener les victimes à en parler. Voilà. Et pour ce faire, il faut doter la société civile, les institutions de défense des droits humains, il faut les doter de moyens conséquents. Ils ont besoin tous où ils sont, ils ont besoin d'un appui de l'État. Parce que nous appartenons tous à un État. Et c'est un travail que l'État à lui seul ne peut pas accomplir. Donc, je pense qu'il faut sanctionner. On a vraiment l'arsenal juridique pour cela. Il faut également sensibiliser et travailler, travailler surtout dans le sens de la sensibilisation sensibiliser, travailler dans le sens de la sensibilisation. Bara Mamadou Ali de la CNDH, il y a plusieurs structures, il y a plusieurs instruments euh, qui, militent dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes. Aujourd'hui, est-ce que toutes ces structures-là euh, collaborent euh, en commun accord Il y a déjà un réseau, je pense, on a un coordonnateur là avec nous. C'est déjà bien. aller dans le sens du réseautage, aller dans le sens de synchroniser nos actions, parce que c'est le même but qu'on vise, travailler en synergie. Ça nous permettrait d'être encore plus efficaces et d'être encore plus percutants sur les thématiques par rapport auxquelles nous nous positionnons. Donc je pense que toutes ces associations de défense des droits de l'homme visent le respect, la protection et la promotion des droits humains au Niger. Et il n'y a pas autre chose qu'on fait que ça. Donc je pense vraiment que on fait ce qu'on peut, la société civile fait ce qu'elle peut, l'État fait ce qu'il peut. C'est ensemble qu'on peut venir à terme euh, de cette question de traite de personnes. Kani Abdullahi du Code collectif des organisations pour la défense des droits de l'homme. Selon vous, au niveau du Code, est-ce que vous avez échangé ou bien réfléchi par rapport aux solutions pour mettre fin à, la traite des personnes au Niger Oui, bien sûr. Nous avons toujours euh, réfléchi et nous avons toujours apporté les fruits de notre réflexion pour accompagner effectivement la mise en œuvre souvent des recommandations qui sont faites même par, rapport aux recommandations qui ont été faites au Niger dans le cadre du rapport, euh, de la rapporteure spéciale sur les pratiques euh, esclavagistes et analogues. Il y a un aspect important. L'aspect important, c'est quoi Je crois que nous devons revenir sur l'obstination de témoignage, qui veut dire que quoi il faut effectivement que les gens puissent témoigner et puissent en parler pour effectivement faire en sorte qu'il y ait un grand débat, que le grand débat revienne autour de cette pratique de, la traite des personnes. Vous parlez d'une sorte d'état généraux de, la traite des personnes On n'en a pas besoin, on n'a pas besoin d'état généraux, on a juste besoin de, on a juste besoin des témoignages, des témoignages et surtout de l'application de la loi il l'a dit, le législateur nigérien a eu la main lourde, effectivement, lorsqu'elle est appliquée dans le domaine de l'esclavage au Niger. Il faut appliquer. Mais souvent, le problème, comme il l'a dit, c'est les victimes, même qui souvent n'en parlent pas. C'est pourquoi je pense qu'il faut témoigner, qu'il faut avoir une obstination de témoignage pour qu'effectivement on puisse en finir avec cette taar, parce que je pense que de mon point de vue, c'est une taar. Kani Abdoulaye, coordinateur du Code, la lutte contre la traite des personnes nécessite des gros moyens. Aujourd'hui, est-ce que toutes ces structures-là sont dotées des moyens dans le cadre de la lutte contre ces fléaux ah, Je pense que du point de vue, d'abord, du point de vue, pour être honnête, du point de vue politique aujourd'hui, nous disposons de tout pour lutter contre la traite des personnes au Niger. En tout cas, ce ne reste que sur ce que nous parlons aujourd'hui, sur l'esclavage aujourd'hui au Niger. Il y a une commission nationale des droits humains Il y a une commission nationale des droits humains. Il y a les organisations de la société civile. Il y a la commission nationale de lutte contre la traite des personnes qui a une agence de mise en œuvre qui est soutenue. Il y a aussi le soutien des bailleurs de fonds, des partenaires. partenaires. Mais souvent, je dis le problème, c'est les victimes même. Souvent, c'est les victimes même. Parce que un médecin ne va pas se lever et venir chez vous pour vous soigner. C'est à vous d'aller vers le médecin pour dire que vous êtes malade. Si vous ne partez pas, quels qu'en soient les moyens que le médecin a, il ne peut pas vous soigner, il ne peut pas éradiquer toutes les maladies. Donc c'est en cela qu'effectivement, c'est les victimes. il faut, il faut revenir sur l'obstination. selon vous, comment faire pour amener les victimes à en parler Voilà. Comment amener les victimes à en parler Il a dit quelque chose d'essentiel, la sensibilisation. Sensibiliser les gens. Et ça, il est de notre devoir, nous, nous avons vraiment un rôle important et propondérant dans la sensibilisation, dans la sensibilisation effectivement des citoyens pour qu'ils puissent comprendre qu'il n'y a pas de sous-hommes, que tous les hommes sont égaux en droit et dignité. On est tous libres et égaux et que les gens doivent comprendre, doivent le comprendre et que le gouvernement doit créer les conditions pour faire en sorte que tout le monde ait accès à la terre. Parce que tout le problème aujourd'hui dans certains contrées, c'est l'accès à la terre. Parce que si quelqu'un n'a pas accès à la terre, on pense qu'il n'a aucun droit, mais surtout l'accès à la terre, ça va toujours continuer. Il faut que le gouvernement, le gouvernement à ce niveau aussi, puisse effectivement s'impliquer davantage. pour effectivement faire en sorte que les gens aient accès à la terre, parce que c'est ce qui fait qu'effectivement cette terre perdure. Bra Mamadou Ali de la Commission nationale des droits humains, tout à l'heure, Kani disait qu'ils sont dotés de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, la Commission nationale des droits humains a les moyens suffisants pour mener à bien sa politique en matière de la lutte contre la traite des personnes Bon, euh, les moyens suffisants, relativement à la lutte contre la traite. Vous savez, nous ne prenons pas individuellement les thématiques euh, qui touchent euh, les droits humains. On les conçoit dans une vision globale. Maintenant, <clears throat> dans ce pays, qui a les moyens de sa politique On essaie de faire avec les moyens de bord, c'est tout. Mais en tant que tel, moyen, et avec tout ce, tout ce dont l'État fait face, Aujourd'hui, la question sécuritaire, c'est qu'il y a nécessairement un impact sur le fonctionnement des institutions de l'État, sur le budget alloué à ces institutions euh, qui diminue drastiquement. Mais je vous dis, on fait avec les moyens de bord, avec l'aide d'autres partenaires. C'est l'occasion également de les saluer, l'Union européenne, le PNUD, l'Institut danois des droits de l'homme. Voyez-vous, on a beaucoup d'autres partenaires qui nous aident et avec lesquels nous comptons beaucoup. au XXIe siècle encore des pratiques esclavagistes et même la vente de personnes des migrants subsahariens ou autres nationalités sévissent à nos frontières, notamment en Libye. Brahmamadou Ali, euh, commissaire à la Commission nationale des droits humains, la dégradation de la situation des droits de l'homme en Libye, est-ce une surprise pour vous Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas une surprise pour nous. C'est vrai, c'est pas un phénomène euh, récent, mais la traduction qu'on a vue dans cette forme dépasse l'entendement. C'est en cela que peut-être ça peut être une surprise au XXIe siècle euh, de telles pratiques. Et je vous dis, la CNDH a fait une déclaration le 20 novembre dernier, fustigeant, condamnant de telles pratiques. Pourquoi c'est pas une euh, surprise pour nous en tant que tel à Libye, parce que vous vous rappelez quand même la situation imposée à la Libye et la CNDH l'a dit à l'occasion de son, sa déclaration de presse. Cette situation est imposée à la Libye. Les frappes en 2011, un certain nombre de pays européens occidentaux sous la bannière de l'OTAN qui avaient imposé le chaos à Libye, qui a désagréger la Libye, déstabiliser les pays de la sous-région, absence d'autorité totale. Donc, on ne peut être surpris de voir de telles violations des droits humains quand on sait que ça a été quelque part provoqué. Et effectivement, la CNDH a appelé les auteurs, ceux-là qui avaient instauré cette situation de chaos en Libye, de répondre face à l'histoire. Et ils vont le faire. Mais en tant que tel, dans un pays où il n'y a pas d'État, où il n'y a pas d'autorité, ça laisse la voie à toute forme de criminalité et à toute forme de violation des droits humains, y compris la vente aux enchères de l'être humain. Brahma Mamadou Ali de la CNDH, il n'y a pas longtemps, votre institution avait entrepris une visite au niveau de la région d'Agadez pour rencontrer des passeurs, les migrants. Mhm. Est-ce que les recommandations que votre institution a eu à, à formuler n'ont pas été prises en compte par le gouvernement Nous, nous avons abordé, c'est vrai, en juin, juillet 2016, on a fait une mission le long des routes migratoires. On est parti jusqu'à Dirkou pour nous inquiéter de la situation des migrants au Niger. Aspect droit humain. À cette occasion, nous avons même eu à faire un film d'une vingtaine de minutes sur la question des droits des migrants au Niger, avec des témoignages accablants en dehors de ce qu'on connaît comme protocole de la CDAO sur la libre circulation des personnes, des exactions qui continuent à être faites sur la personne des migrants. Et quand vous voyez le film... Pas même en territoire libyen, en, territoire, nigérien. En territoire nigérien. Je vous dis, quand vous entendez des témoignages, c'est écœurant. Des migrants qui sont fouillés jusqu'à leur partie intime pour leur soutirer de l'argent. Voyez-vous, la CNDH a fait un rapport et c'est ressorti dans notre dernier rapport, on a dénoncé à un moment donné, on a même identifié certains auteurs et qui avaient, après la dénonciation de la CNDH, qui avaient qui certains ont été affectés, d'autres ont été sanctionnés. Voilà. Mais jusque-là, la, pratique court. Ça, on, on suit ça. On va encore euh, refaire une autre mission. Et pour la question migratoire, je vous dis que la CNDH a installé même une antenne régionale à Agadez. On a voulu installer dans tous les chefs-lieux de région de notre pays, mais avec les difficultés financières, on a priorisé trois régions. Tillabéri pour la question de l'insécurité, Difa également pour l'insécurité avec Boko Haram, Agadez pour la question de la migration. Parce que l'insécurité favorise très souvent la violation des droits humains. La migration également, avec tout le lien qu'on fait avec l'insécurité. Nous avons depuis août passé une antenne régionale à Agadez où les migrants peuvent aller se plaindre en cas de violation de leurs droits. Mais est-ce qu'il y aura suite en cas de dénonciation Oui, il y aura toujours une suite. Il y a toujours une suite. Quand on dénonce, quand on saisit la CNDH, il y a toujours un travail d'investigation qu'on fait. Maintenant, si c'est des faits qu'on peut qualifier d'infraction, on oriente devant le procureur pour euh, que ce magistrat engage de poursuites. Donc il y a toujours une suite. Si des choses, ces euh, c'est des faits euh, relevant d'une faute disciplinaire, on dénonce devant le chef hiérarchique, là également, qui peut prendre des sanctions disciplinaires. Il y a toujours une suite. Kani Abdullahi du Code, selon vous, comment mettre fin à la dégradation continue de la situation des droits de l'homme en Libye Pour mettre fin, déjà, aujourd'hui, nous avons essayé d'attirer l'attention de la communauté internationale quant au chaos qui existe en Libye. Pour mettre fin à cette situation en Libye, il faut qu'il y ait un État. Parce qu'en Libye, l'État n'existe pas. Parce qu'après le chaos, les gens sont partis et aujourd'hui en Libye, c'est des milices, c'est des gangs, c'est des clans qui règnent. Il faut qu'on revienne à un État en Libye pour mettre fin ou lutter parce que ces pratiques existaient depuis qu'il y avait l'État l'État libye n'a pas, atteint ce stade que nous avons aujourd'hui. Donc il faut d'abord que la communauté internationale s'engage à faire en sorte que l'État libye puisse exister. Est-ce que vous avez le sentiment que les grandes puissances euh, ne sont pas préoccupées par la situation, par la dégradation des conditions de vie à euh, Libye Ah, aujourd'hui, ils le sont. Ils le sont pourquoi Parce que le haut commissaire des Nations Unies aux droits humains à tirer sur la sonnette d'alarme et à indexer l'Union européenne qu'ils pensent être à la base de cela parce que l'Union, vous savez que l'Union européenne ne veut pas que les migrants traversent la mer pour venir chez eux. Et ont essayé effectivement d'investir ou de vouloir donner des moyens dans certains pays pour effectivement stopper net la migration. Et des gens ont profité de cet état de fait, de ces conditions pour faire en sorte qu'en Libye, qu'il y ait des, marchés où on vend des êtres humains comme des bêtes de somme en 2017. Selon vous, Kani Abdullah du Code, faut-il accepter ou empêcher euh, les migrants de passer jusqu'à aller euh, en Europe <laughs> On ne peut pas empêcher à quelqu'un. Ça, on ne peut pas empêcher à quelqu'un de migrer. C'est aussi vieux que le monde. Si chacun devait rester chez lui, je me demande comment le monde allait se développer. Si chacun devait rester chez lui, je me demande comment il y aura la production et la consommation. Non, de mon point de vue, et, c'est ce qui m'oppose souvent aux autres, je ne suis pas d'accord à ce qu'on dise que non, les jeunes doivent rester chez eux. Non, il faut rester chez vous. Il faut rester chez vous. Il y a des, oui, il faut voir quels sont. À un certain moment, les Européens venaient, euh, étaient ah, ici, ils venaient ici. Ah, de la sous-région ouest-africaine, en Afrique de manière générale. On ne les a jamais dit de, rester chez eux. On les a jamais dit de rester chez eux. Et il faut voir aussi parmi les migrants. Il faut les qualifier. Il n'y a pas que des migrants, des migrants économiques seulement. Et même les migrants économiques, il faut les permettre d'aller. Si au niveau de leur, si vous, vous pillez nos, nos États, vous achetez les matières premières, pas à leur juste valeur. Il est, il est, il est clair que nous allons partir là-bas pour essayer d'avoir un lendemain meilleur. Bra Mamadou Ali, rapidement, en 30 secondes, votre mot de la fin par rapport à la situation en Libye Non, par rapport à la situation en Libye, je ne peux que me coller à la déclaration de la CNDH du 20 novembre. Nous en appelons à l'Union européenne, à la Commission africaine des droits de l'homme, de tirer cette affaire au clair et de, de traquer tous ceux-là qui peuvent être impliqués dans cette, je ne sais pas comment l'appeler, et de les traduire devant la Cour africaine des droits de l'homme. La Cour africaine des droits de l'homme, mmh. pourquoi pas la CPI comme l'a comme l'a dit le président nigérien Mamadou Soufou, selon vous Bon, d'abord, euh, nous nous inscrivons dans le sens de l'intégration communautaire bien avant. Pourquoi, si on a une cour nous-mêmes à même de juger, pourquoi la CPI Rapidement, en 15 secondes. En 15 secondes, je pense que la communauté internationale, l'Union africaine doit agir, pas seulement par les mots. Non, il faut agir par les actions. Je salue effectivement que Alpha Condé est vigoureusement réagit à travers un, communiqué en tant que président de l'Union africaine. Et le Niger a appelé l'ambassadeur de l'État libyen. Oui, l'État de Libye n'existe pas. Mm. Oui, et le président Abon en a parlé. Et je pense qu'il faut agir. Ils vont, ils vont en parler en Côte d'Ivoire, où il y aura un débat Union européenne-Afrique il faut agir. Il faut agir, Kani Abdullahi. Nous sommes au terme de ce forum de studio Kalangou. Nous étions avec euh, Bara Mamadou Ali, commissaire à la Commission nationale des droits humains, CNDH. Nous étions également avec Kani Abdullahi, coordonnateur du collectif des organisations de défense des droits de l'homme, COD. Merci à vous tous de votre fidélité au programme de studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence de nos 31 radios partenaires avec une autre thématique. Merci, au revoir.